le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio 18h de 15 minutes à Niamey, les programmes du studio Kalangou se poursuivent Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro du Forum du Studio Kalangou. Les émissions du Studio Kalangou que vous recevez grâce à une vingtaine de radios partenaires un peu partout à travers les huit régions du Niger. Ce soir, nous abordons ce forum avec euh, le réseau nigérien des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement qui organise un atelier de formation à l'intention des journalistes nigériens euh, sur la gestion intégrée des ressources en eau. Ensuite, euh, nous irons dans la région de Dosso pour constater sur place l'évolution de la campagne agricole dans la région. Nous parlerons également de la situation nutritionnelle au Niger qui ne fait que s'empirer dans certaines régions à cause de l'insécurité et les catastrophes naturelles. Voilà donc l'essentiel du menu du forum de ce mardi 9 août 2016. Je le disais tantôt, le réseau nigérien des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement Régia organise depuis hier un atelier de formation à l'intention des journalistes nigériens sur la gestion intégrée des ressources en eau GIRA. Selon Anzi Ernest, consultant et coordonnateur du programme WASH d'Oxfam, une meilleure gestion des ressources en eau permet de pérenniser les ressources en eau pour les générations futures. En l'écoutant. La c'est la gestion intégrée des ressources en eau pour essayer de rationaliser la ressource en eau au niveau, à l'échelle communale ou à l'échelle des sous-bassins pour que les différentes utilisations d'eau puissent avoir de l'eau, avoir accès à l'eau et puissent euh, les exploiter euh, sans compromettre l'utilisation faite par les autres usagers et ça permet également d'éviter tout ce qui est conflit autour de la ressource et ça permet de pérenniser la ressource en eau pour les générations futures. Voilà, donc c'est de façon simplifiée ce qu'on peut entendre par la gestion intégrée des ressources en eau. Et pour ça, depuis 2010, Oswam a intervenu dans la commune de Bani Bangou, ensuite euh, euh, à Bani Bangou et aujourd'hui on a répliqué son modèle de gestion intégrée des ressources en eau à base communautaire euh, au niveau de la commune de Simiri et de Tondukindi. Donc c'est dans ce cadre de ce projet que Oswam euh, développe des actions et parmi ces actions, il y a un volet plaidoyer afin de mieux prendre en compte la gestion des grès des ressources en eau au niveau des politiques euh, publiques que OSAM euh, initie ce deuxième atelier avec les journalistes hein, pour que le message de l'agir vraiment soit entendu. Est-ce à dire que les ressources en eau ne sont pas très bien gérées au Niger Bon, les ressources en eau, il faut dire que ne sont pas suffisamment mobilisées et le peu qui est mobilisé, il peut y avoir des conflits autour des ressources en eau, que ce soit autour des marques, sous des points d'eau, au niveau des puits, au niveau des sites maraîchers. Donc chacun à son niveau, malgré la faible mobilisation des ressources en eau, veut avoir l'eau à disposition pour pouvoir euh, faire ses activités de production ou de consommation. Donc euh, l'eau, finalement, peut être un facteur de conflit. Et pour pouvoir pallier à tout ça, il est mieux de mettre ensemble les différents utilisateurs de l'eau pour qu'ils puissent rationaliser ensemble l'utilisation de l'eau pour que chacun puisse euh, avoir l'eau à disposition. Est-ce qu'une mauvaise gestion des ressources en eau peut avoir euh, des conséquences oui, Une mauvaise gestion des ressources en eau peut avoir des conséquences. Une mauvaise gestion et une mauvaise rationalisation, utilisation de l'eau peut avoir des conséquences. Les conséquences comme des conflits autour de la ressource en eau, parce que euh, on a sans oublier qu'il y a souvent des conflits entre éleveurs, agriculteurs. Une mare peut être exploitée par des briquetiers, en même temps par des maraîchers. Donc si la distribution de l'eau n'est pas suffisante ou n'est pas bien gérée, ça peut entraîner des difficultés, des conflits. Et si c'est pas aussi mal géré, ça peut entraîner du gaspillage et l'eau peut se raréfier et ça peut conduire à des stress hydriques dans l'avenir. En quel moment on peut dire que l'eau est gaspillée L'eau est gaspillée lorsque on utilise plus que le besoin naturel. Voilà, plus que les besoins naturels. Voilà. Donc, par exemple, euh, dans une exploitation de sites maraîchers, plus ou moins selon les spéculations, on sait plus ou moins quelle quantité d'eau doit être utilisée par spéculation. Mais si les populations sont pas formées dans ce sens, ils vont utiliser l'eau en abondance, arroser les différents plants en abondance, les planchers en abondance, alors qu'il ne sera à rien de arroser Il faut juste utiliser la quantité qu'il faut pour pouvoir avoir la production dont on a besoin. Également, si l'eau n'est pas gérée au niveau des bonnes fontaines, au niveau des menus à épées, ça peut entraîner le gaspillage, les robinets peuvent être ouverts et puis l'eau peut couler en abondance alors que c'est du gaspillage et ça, ça peut conduire également à la ratification de l'eau dans l'avenir. Quand j'utilise l'eau pour laver mon véhicule ou bien quand euh, j'utilise l'eau euh, dans ma piscine euh, pour me laver, est-ce qu'on peut parler en ce moment précis du gaspillage L'eau, c'est pour répondre à certains besoins. Voilà, donc l'eau est utilisée aussi pour l'hygiène. Donc, se laver avec de l'eau, c'est important, ça tout à l'hygiène. Laver son véhicule, avec de l'eau, ça participe à l'hygiène. Pour les baignages, tant que l'eau est disponible, on peut l'utiliser. Mais dans un contexte de stress hydrique où l'eau est, difficile à trouver, on est obligé de prioriser l'utilisation de l'eau. Voilà. Donc, c'est à travers les comités de gestion intégrée des ressources en eau qu'on peut, en fonction des usages, prioriser la ressource en eau en fonction de sa disponibilité et savoir si on peut faire telle activité, telle activité, on peut faire telle chose sans compromettre vraiment euh, la disponibilité de la ressource en eau. Donc, euh, utiliser l'eau pour la piscine, utiliser l'eau pour le lavage des voitures, tout dépend de la disponibilité de l'eau et tout dépend vraiment de, de ce qu'on a en termes de stock. Si ça commence à manquer, on oublie de prioriser l'eau en ce moment. Il y a certains usages de l'eau, forcément, qu'il faut réglementer pour que euh, l'eau soit priorisée. Sachant que la priorisation concerne d'abord la consommation humaine. Donc il faut avoir de l'eau d'abord pour boire et ensuite maintenant l'eau pour l'agriculture, ensuite maintenant l'eau pour l'élevage et pour les autres usages. Donc il y a une priorisation naturelle de l'eau et si l'eau est disponible, il n'y a pas de problème. Mais si l'eau commence à manquer, on est obligé vraiment de réglementer l'utilisation de l'eau. Nous sommes au Niger, le Niger qui renferme plusieurs milliards de mètres cubes d'eau souterraine, tout comme en eau de surface. Est-ce que au Niger, l'eau peut être euh, source de il y a une, grande réserve d'eau au Niger, qu'elle soit de l'eau souterraine. Le seul problème, c'est la mobilisation. Si l'eau est mobilisée par l'investissement nécessaire, la réaction de forages, de mini-AEP, euh, de barrages, il ne peut pas avoir de problème conséquent. Le seul problème présentement, c'est la mobilisation de l'eau. Donc si l'eau est mobilisée, c'est vrai que ça coûte de l'argent, mais si l'eau est mobilisée, la population peut avoir de l'eau, que ce soit pour la production et également pour la consommation. L'accès à l'eau potable fait partie des objectifs euh, du millénaire pour le développement OMD euh, est passé. Est-ce que le Niger est en bonne posture pour l'atteinte euh, de l'accès à l'eau potable L'accès à l'eau potable reste euh, une réalité vraiment au Niger, donc ça reste d'actualité. Les OMD ne sont pas totalement atteints et puis il faut reconnaître qu'il y a une disparité vraiment de l'accès à l'eau au niveau national. Au niveau urbain, c'est vrai, on peut dire que plus ou moins il y a un certain accès à l'eau potable, mais au niveau rural, jusqu'à aujourd'hui, il y a des communautés qui n'ont pas accès à l'eau potable. Donc les OMD ne sont pas totalement atteints. Le Niger, en tout cas, fait des efforts qu'il faut et doit poursuivre dans ce sens pour que les populations puissent avoir accès à l'eau selon les objectifs du millénaire. Quand est-ce qu'il peut avoir accès à l'eau potable pour tous les Nigériens Bon, ça, c'est un travail euh, de longue haleine. Donc, il faut vraiment s'engager dans la réalisation des infrastructures. Il faut s'engager dans une exploitation rationnelle des infrastructures. Il faut s'engager dans une maintenance des infrastructures. Donc, on pense que c'est un travail vraiment de longue haleine. Il faut continuer de conscientiser les populations, en même temps continuer les investissements publics pour pouvoir mobiliser la ressource en eau pour la population. Donc, on peut dire que vraiment, le Niger doit continuer ses efforts, en tout cas dans ce sens. Et un jour, on pourra dit totalement que tous les Nigériens ont accès à l'eau potable en quantité et en qualité suffisante comparativement aux autres pays de la sous-région, quelle est la posture du Niger en termes d'accès à l'eau potable En termes d'accès à l'eau potable, bon, chaque pays a ses réalités. Donc, on euh, peut dire par rapport à la réalité du Niger, en tout cas, il y a beaucoup à faire. D'autres pays sont avancés, en tout cas dans ce sens. Mais le Niger vraiment doit continuer les efforts pour essayer de rattraper, en tout cas, le niveau des ressources en eau de certains. Voilà, certains n'ont pas toute la quantité d'eau qu'on a. Par exemple, euh, le Burkina n'a pas de fleuve à disposition, ils n'ont pas le Niger a à, disposition des fleuves et le Niger à disposition solution de grands gisements d'eau. La chose il faut vraiment assurer la mobilisation, investir suffisamment pour que le Niger puisse euh, vraiment atteindre les objectifs du millénaire. Voilà. Donc, euh, comparant aux autres pays, le Niger a son niveau d'avancement. D'autres sont un peu en avance. Le Niger doit continuer pour essayer de rattraper certains retards et dépasser dans l'avenir d'autres pays qui sont aujourd'hui plus en avance que le Niger les objectifs du millénaire pour le développement, c'est passé, c'est les ODD, les objectifs de développement durable. Au niveau de ces objectifs, l'eau, l'hygiène et l'assainissement figurent en bonne posture. Est-ce que le Niger peut espérer Le Niger peut espérer. En tout cas, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits dans ce sens. Il y a des politiques qui sont mises en marche. Il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent dans ce sens, des ONG qui interviennent dans ce sens. Donc tout le monde est mobilisé. Donc je pense que le Niger, vraiment, avec euh, un peu d'efforts, peut vraiment atteindre ses différents objectifs de continuer vraiment dans l'élan et que chacun puisse être mobilisé pour, en tout cas, permettre à, tous les Nigériens d'avoir accès à l'eau potable et accès à des infrastructures d'assainissement. merci. Merci beaucoup. Je vous remercie. C'était là Anzi Ernest, il est consultant et coordonnateur du programme WASH euh, d'Oxfam. Il est interrogé relativement à la gestion intégrée des ressources en eau au Niger. À la date d'aujourd'hui, tous les villages de la région de Dosso ont sémé, même si l'évolution des cultures varie d'une zone à une autre. Dans les zones où les cultures sont à un stade avancé, des ennemis de culture ont malheureusement fait leur apparition. La direction régionale de l'agriculture de Dosso s'active pour faire face à la situation. Amadou Dantani est le directeur régional de l'agriculture de Dosso. Il est interrogé par notre correspondant à Dosso, Daouda Hassan. La campagne agricole connaît une certaine diversité parce que les périodes de semis étaient vraiment étalées. Mais disons que à la deuxième décade du mois de juillet, tous les 1722 villages agricoles ont semé. Et nous avons présentement des zones où le mil est en grenaison, maturité. Il y a également le contraste, donc c'est le contraste des zones où c'est maintenant que le mil est au, stade de Donc vous voyez qu'il y a euh, vraiment une grande diversité des situations. Donc là, les zones qui sont un peu en retard, c'est le nord d'Ouchi, et Nord d'Osso, département Loga, Boboy, qui ont vraiment semé dans la deuxième décade du mois de juillet. Bon, il faut toujours euh, espérer parce que c'est une question de scénario. Donc, euh, avec l'arrêt des pluies au 15 septembre et l'arrêt des pluies au 30 septembre, quand les pluies là vont se prolonger, donc nous espérons avoir vraiment de bonnes récoltes. Et bon, comme vous le savez, la pluie, c'est Dieu qui compte la pluie. Donc là, vraiment, on espère que cette pluie va jusqu'au 30 euh, septembre. Et effectivement, il y a eu des attaques. Donc c'était généralement les sotorios en début de culture, donc au stade de euh, du mille quoi. Donc il y a eu des attaques, mais nous disposons des produits et en tout cas pour les zones qui ont signalé, nous avons maîtrisé la situation et avec euh, des produits phytosanitaires. Mais également présentement, il y a des insectes floricoles parce qu'ils euh, sont endémiques de la région de Dosso. Et là également, nous sommes en train d'effectuer les traitements. Bon, nous avons ces dernières années la chenille mineuse de l'épi que nous surveillons présentement. Il y a quelques ébauches, quelques apparitions donc dans le département de Falmey. Donc là, nous nous préparons pour faire des lâchers, donc euh, du bracon, donc l'insecte qui est capable d'anéantir vraiment ce papillon, parce que mhm. c'est des larves de papillons. donc nous sommes en train de prendre des dispositions, en tout cas, pour pouvoir les neutraliser dès leur apparition. Dès la semaine euh, prochaine, hein, il y en a qui vont bientôt engranger le nouveau mille. Hein. Donc euh, vraiment, ils sont en stade avancé. Donc donc, dans le mois d'août, là, en tout cas, le mille euh, sera mûr pour beaucoup de localités concernant la bande sud de la région. Bien entendu, ça c'est notre rôle de vulgarisateur. Nous, nous, nous les conseillons chaque jour vraiment de disposer de ces semences améliorées qui sont soit fournis par l'État à travers certains programmes ou bien des entreprises privées qui se sont lancées dans la production de ces semences. Donc ils sont vraiment disponibles au niveau de la région car nous avons eh, au moins trois entreprises qui font des semences améliorées et sans compter également d'autres fédérations telles que Moribène, qui est très avancée aussi dans la production des semences améliorées. Je pense que pour la région de Dosso, vraiment, les semences ne doivent pas constituer un frein, en tout cas, à la production agricole. C'était là Amadou Dantani, directeur régional de l'agriculture euh, de Dosso, relativement à la situation agricole dans la région de Dosso. Autre aspect de ce forum, la situation nutritionnelle du Niger est passée de 2005 à 2016 du niveau alerte du, au seuil d'urgence de l'OMS avec 15% de taux de malnutrition aiguë globale. Une situation qui ne fait que s'empirer avec euh, l'insécurité et les catastrophes naturelles dans certaines régions. À l'occasion du sommet sur la nutrition qui s'est tenu le 4 août 2016 à Rio, le réseau de la société civile pour le mouvement Starling App Nutrition euh, s'est penché sur la question à travers une rencontre d'échange sur le niveau des engagements pris par l'État du Niger en faveur de la nutrition en 2013 au sommet de la nutrition pour la croissance à Londres. Le point avec euh, Dr Garba Dandano Ibrahima, il est le chef du projet, il est interrogé et par Moussa Hassan. Mon nom c'est Dr Garba Dandano Ibrahim, je suis le chef de projet du collectif Tous Unis en faveur de la nutrition, qui est le réseau de la société civile pour le Scaling Up Nutrition Niger. Vous avez initié un atelier d'échange sur les engagements de l'État en faveur de la nutrition. Pouvez-vous nous faire d'abord euh, la situation de la nutrition au Niger La situation nutritionnelle au Niger, on peut dire que depuis quelques années, d'ailleurs depuis 2005, elle n'est pas bonne, si on peut l'appeler ainsi, et elle est à l'heure actuelle préoccupante parce que vous savez que depuis peu, selon l'enquête euh, nationale des indicateurs socio-économiques démographiques publiée en septembre 2015, NICED, nous sommes à 15% du taux de malnutrition globale qui est le seuil d'urgence de l'OMS. E Donc nous sommes passés du seuil d'alerte au seuil d'urgence et aujourd'hui, euh, avec tout ce qui se passe aujourd'hui euh, du point de vue euh, déplacement des populations dans les régions où il y a l'insécurité et les inondations qui sont en train d'arriver, vous êtes en train d'entendre tout ça, ça va contribuer sans doute à exacerber, à rendre plus vulnérables nos populations et à les exposer à une insécurité alimentaire et à une insécurité nutritionnelle certainement. Y a-t-il des régions qui sont plus concernées que les autres Les régions les plus concernées, je dirais, c'est tout le Niger un peu, mais il y a des régions qui sont plus touchées. Par exemple, si vous prenez l'exemple de Difa, avec la situation des déplacements des populations, qui ont tout laissé, qui ont laissé leur moyen d'existence, c'est normal que ces populations aujourd'hui aient besoin d'assistance alimentaire, à défaut de l'assistance que leurs enfants ou les femmes se trouvent dans des situations d'insécurité nutritionnelle ou de malnutrition. Si vous prenez aussi des régions comme les régions de Maradi, Difa, qui sont connues déjà pour les questions de sous-nutrition, aujourd'hui vous avez vu, c'est à la Grèce, la situation elle est parce qu'avec un deçà de 10% du seuil euh, de l'OMS, mais avec les situations d'inondation qui sont en train d'arriver, ça peut engendrer beaucoup de problèmes, d'abord de santé, qui peuvent découler chez les enfants, problèmes nutritionnels. Le Niger euh, a pris des engagements. Où en sommes-nous avec euh, ces engagements en fait, hier, nous sommes revenus sur les engagements d'abord de 2013. En 2013, le sommet Nutrition pour la croissance, Nutrition for Growth, a eu lieu à Londres. Le Niger a été très bien représenté par le Premier ministre le Niger a eu à prendre des engagements, dans, entre autres la réduction de la malnutrition à l'érosion 2020 à moins de 10%, la réduction de la malnutrition chronique de 44% à 25%, la malnutrition aiguë globale de 13,3 à 10%. Et donc vous voyez que ce taux est passé de 13,13 en 2013 à 15% aujourd'hui. Donc ça veut dire que les choses ne s'améliorent pas. Et si ça continue ainsi, cet engagement précis ne sera pas atteint en 2020. Et même au niveau de la malnutrition chronique, aujourd'hui le taux est pratiquement le même, sinon il a augmenté. Donc visiblement, il n'y a pas de changement majeur parce que 2020, c'est dans quatre ans. Si euh, cette situation continue comme ça, je pense que ces engagements ne seront pas atteints. D'autres engagements pris par l'État, c'est par rapport au financement de la question de la nutrition. Parce que vous savez, aujourd'hui, c'est que ce qui est d'actualiser et c'est que vraiment, même les bailleurs veulent voir la part des États. Qu'est-ce que les États font Parce que c'est vrai que c'est une situation qui est là dans un pays, mais il faut que ces bailleurs sentent, ou bien que la communauté internationale sente que nos États sont en train de faire des efforts pour renverser la tendance. Donc c'est dans ce cadre que nous avons fait un tour de ces engagements et que nous avons apprécié à leur juste valeur. Et nous avons aussi, à l'occasion, pris des engagements, nous, en tant qu'acteurs de la société civile, présents à cet atelier. Nous avons aussi eu à faire des recommandations à l'État pour que l'État puisse, en tout cas, se mettre vraiment dans le travail véritable et pour mettre fin à cette sous-nutrition qui, qui nous rend un peu vulnérables, qui rend le Niger vulnérable du point de vue de beaucoup de problèmes et aujourd'hui qui plombe même notre développement parce que au-delà de l'aspect humanitaire, de l'aspect des vies humaines, de l'aspect des enfants, des femmes qu'il faut sauver, il y a aussi l'aspect du développement. Aujourd'hui, un pays qui est dans ce carcan de sous-nutrition, de malnutrition perpétuelle ne peut pas se développer. Et c'est les impacts sur le plan économique, il y a les pertes sur le PIB, il y a le capital humain aussi qui est, parce que c'est des enfants qui ont eu à faire la malnutrition ne seront pas des enfants qui seront suffisamment intelligents pour aller à l'école ou bien suffisamment forts pour faire certaines activités. Donc du coup, on vu que c'est notre avenir qui est en jeu, donc c'est pour cela que nous sommes obligés d'agir et d'agir conséquemment. Et d'agir aussi maintenant, c'est pas de demander aux gens de nous aider. Non, nous, qu'est-ce que nous faisons Il faut que nous sachions, est-ce que ce que nous sommes en train de faire, il faut qu'on puisse quantifier ce que nous sommes en train de faire et ce que nous sommes en train de faire, quel impact ça a, où est-ce que nous avons besoin d'appui. Quelqu'un ne va pas venir nous faire changer la situation. Nous sommes obligés de nous mettre au travail, de réfléchir sur des solutions de manière endogène c'est un problème du Niger, c'est un problème qui concerne les Nigériens. Et eh bien, nous sommes capables de réfléchir aujourd'hui, de trouver les voies et moyens pour renverser la tendance pour un Niger de demain. justement, par rapport à ces moyens, quelles sont les propositions que vous avez faites euh, à l'État nous, nous avons eu à faire des propositions à l'État par rapport à l'engagement sous-régional. Nous avons demandé, par exemple, à l'État de de voir ces institutions comme euh, la CDAO, comme le SILS, pour qu'il y ait des engagements forts dans le domaine de la nutrition. Nous avons demandé aussi à l'État d'allouer au moins, au minimum, je, veux dire 3% du budget la nutrition. Si on dit 3% du budget à la nutrition, c'est 3% de budget dans tout le budget global. Donc c'est lorsqu'on rassemble le budget imparti dans les ministères sectoriels, parce que vous savez, aujourd'hui, la question de la malnutrition, c'est un problème multisectoriel. Vous ne pouvez pas combattre la malnutrition aujourd'hui tant que au niveau du ministère de la Santé, la nutrition n'est pas prise en compte, au niveau du ministère de l'Éducation, la nutrition n'est pas prise en compte, au niveau de la protection sociale, au niveau de l'agriculture, élevage, au hygiène, Il faut absolument que dans ces ministères-là, qu'on alloue de manière spécifique des lignes budgétaires à la nutrition, pour proposer des activités ou des projets qui vont euh, rentrer dans le cadre de l'amélioration de la nutrition des populations de manière euh, sensible, pas spécifique. De l'autre côté, au niveau du, ministère de la Santé, là-bas, c'est la prise en charge. Seulement, c'est là que les enfants sont malnutris qu'ils sont pris en charge. Donc là aussi, il faut mettre les moyens suffisants pour que tous les enfants qui sont potentiellement malnutris puissent avoir accès à des centres de prise en charge et puissent être pris en charge très tôt. Parce que la malnutrition aujourd'hui, c'est que nous oublions. Par exemple, chez les enfants, un enfant, à moins que ce soit de manière sporadique, qu'il fasse une diarrhée ou quelque chose comme ça, il est d'abord modéré Aujourd'hui, si euh, au stade modéré, même dans la communauté ou dans un centre de santé, on le prend en charge, ça veut dire qu'on l'évite d'aller au stade sévère. Donc, voyez-vous, c'est ici, on met tous ces moyens, déjà les engagements qui ont été pris, et que l'État aussi prenne des engagements qu'on appelle réalistes, smart, c'est-à-dire des engagements qui sont liés à notre contexte et des engagements que nous pouvons atteindre en fonction de nos moyens. Parce qu'aujourd'hui, une chose est de vouloir prendre des engagements ou faire changer la situation, mais une autre chose est de compter avec ces moyens. lorsque vous prenez des engagements, vous avez besoin de suffisamment de moyens pour les atteindre. Donc, nous devrons prendre des engagements en fonction de nos moyens. Déjà, nous voyons qu'au niveau de l'État, il y a un début, en tout cas, de, de travail dans ce sens, avec la politique nationale de sécurité nutritionnelle, et nous avons demandé à l'État de tout faire pour que cette politique soit financée dans le bref délai et qu'elle soit mise en œuvre pour mettre fin à ce problème. Parce que nous croyons, nous avons, nous avons parcouru cette politique, nous espérons que cette politique, si elle est véritablement mise en œuvre, elle peut faire changer la, tendance au Niger. Je vous remercie, docteur. C'était la docteur Garba Dandano Ibrahim relativement à la situation nutritionnelle au Niger. Tout autre chose à présent dans ce forum. Le lundi dernier, le ministre des Mines et de l'Industrie, Hassan Barazemboussa, était en mission de travail dans la région d'Agadez. Lors de son passage à Arlita, il a visité les différents sites de traitement artisanal des orpailleurs dans la ville d'Arlita. Gunguma Mandantani a joint ce matin le secrétaire général de l'ONG Agrimana, Ramara Elatoufet qui se prononce les les de cette activité Bonjour. Bonjour. Hier, le ministre des Mines était en visite à, Arlit où il a visité non seulement les services techniques relevant de sa compétence, mais aussi le nouveau site réservé pour les orpailleurs qui font le traitement artisanal de l'or à Arlit. En tant que ONG qui défend l'environnement, quelle est votre vision par rapport à ce nouveau site que la commune urbaine a attribué à ces orpailleurs Pour ce qui est de la visite du ministre des Mines, donc, euh, il y avait un programme qui n'a pas été donc nous n'avons pas pu le voir au cours de sa visite. En ce qui concerne l'exploitation, le travail artisanal de l'or, c'est une activité qui dure déjà depuis plus d'un an à Néanmoins, cette activité-là, elle ne se fait pas dans le nord. Mais le problème est qu'aujourd'hui, il y a des milliers de gens qui se sont investis dans cette activité-là. Et il n'y a pas de respect des règles environnementales. Donc, aucune règle environnementale n'est respectée en ce qui concerne. Et le ministère des Mines n'est pas arrivé à appliquer la loi par rapport jusqu'au point où on ne peut même pas les traiter, ces gens-là. Ils sont tellement nombreux qu'il est impossible même de les arrêter. Donc l'exploitation artisanale de l'or présente des risques sérieux pour l'environnement ici à Arlit. Mais le problème est à un point où on ne peut pas l'arrêter aujourd'hui. En tout cas, nous, avons l'impression que ça ne peut pas s'arrêter. C'est ça la réalité. Bien, mais selon les autorités, pour pouvoir bien cadrer cette activité, un nouveau site a été aménagé qui va faire orienter tous ces acteurs euh, au niveau de ce site euh, pour euh, cette opération Opération. Que dites-vous Le nouveau site aussi, aujourd'hui, il y a presque six mois que le nouveau site a, ouvert, ça n'a rien changé, que ce soit l'ancien site, le nouveau site ou d'autres sites. Le problème, c'est le respect règles environnementales, c'est le respect, c'est l'utilisation d'un certain nombre de produits qui sont nocifs pour l'environnement, notamment le mercure et le cyanure. Donc ça, ce sont des produits très dangereux qui sont utilisés. Donc c'est ça qui est dangereux. Ce n'est pas utilisé dans les normes. Ce n'est pas, le problème n'est pas de créer un nouveau site. On peut créer mille nouveaux sites, ces sites-là ne sont pas conformes à l'environnement, ça ne servira pas à grand Vous, en tant que ONG qui défend l'environnement, est-ce que de votre côté, vous avez engagé des entreprises, des opérations de sensibilisation pour pouvoir aider ces orpailleurs à éviter le risque euh, sur les produits qu'ils utilisent dans un premier temps, donc, ce n'est pas seulement les activités de sensibilisation, c'est que nous avons attiré l'attention des autorités sur les risques environnementaux de cette façon d'exploiter l'or, de traiter l'or. Donc, nous avons attiré. Malheureusement, nous n'avons pas été compris Donc, comme vous savez, l'or, c'est une question d'argent. C'est très difficile à gérer. Donc, nous n'avons pas été compris. Et les gens ont continué chacun à faire ce qu'il veut faire. Chacun fait ce qu'il veut. Donc, c'est pour ça que c'est une anarchie totale, au point où on ne peut même pas la contrôler. Nous, nous avons fait ce que Aujourd'hui, avec euh, cette du ministre des Mines, est-ce qu'on ne peut pas dire que votre appel a été entendu et que certainement, quand il est arrivé, il a eu à donner certainement des consignes moi, je crois, je n'ai pas vu le ministre de je ne l'ai pas entendu, mais je ne crois pas que la, visite du ministre de va changer quelque chose. C'est comme si vous dites aujourd'hui, la moitié des gens, les 150 000 habitants d'Amit euh, vont cesser de chercher de quoi vivre. Je crois que euh, c'est presque impossible. Parce que si vous les arrêtez, ils vont faire quoi quest que leur proposez à, la place On ne leur propose rien. Voilà les problèmes qui se posent. Bien, merci, M. Ramar. C'était là le secrétaire général de l'ONG Agriman Ramar Elatoufet relativement au traitement artisanal des orpailleurs dans la ville d'Arlit. Du sport à présent avec la Fédération nigérienne de Sambo qui a organisé dimanche dernier des activités festives pour encourager et remercier les athlètes de la discipline. Ces derniers ont brillé lors du championnat africain qui s'est déroulé à Niamey du 27 au 29 mai 2016. Le secrétaire général de la FENI Sambo, Alzuma Hamidou, au micro de Habibou Garba. Euh, on a voulu témoigner notre reconnaissance et notre satisfaction à l'endroit de nos athlètes qui ont prié par leur euh, mérite au niveau des 11e championnats, d'Afrique euh, qui se sont déroulés au Niger, à Niamey précisément du 27 au 29 mai 2016 à Niamey. Donc, pour cette circonstance, nous avons bien voulu remettre des cadeaux symboliques aux athlètes. Alors, qu'est-ce que le Niger a gagné lors de son championnat Nous avons eu, au niveau de ce championnat, 10 médailles, 2 médailles d'or, 10 médailles d'argent et 20 médailles de bronze. Donc, ce qui classe le Niger euh, troisième sur le classement général. Donc, euh, le Niger se classe euh, troisième. Donc, ce qui est une bonne chose pour le Niger. Et cela fait du Niger un pays de sambo désormais. Euh, le Niger se classe derrière quel pays quel pays euh, Le Niger se classe euh, derrière le Cameroun et le Maroc. Le Cameroun premier, le Maroc deuxième, le Niger troisième. Alors quels sont les cadeaux que vous avez donnés à nos jeunes talents pour les encourager C'est juste un geste symbolique. Ah, on n'a pas voulu spécifier donc. C'est un geste symbolique. La Fédération nigérienne de Sambo a voulu faire aux, athlètes donc pour les motiver, pour les encourager à travailler davantage. Mais aussi, par ricochet, nous avons donné un certain nombre de témoignages de certification aux différents membres de la fédération, aux différentes autres personnalités qui ont bien voulu aider les sambo à se développer au Niger. Alors, euh, c'est à quand le prochain championnat le prochain championnat d'Afrique aura lieu au Seychelles. Si tout va bien, on, aura, on va faire le prochain championnat d'Afrique au Seychelles. Mais auparavant, nous avons déjà, avant ça, nous avons d'autres échéances. Nous allons faire le championnat, un championnat national, un tournoi et des stages au niveau des régions. Donc euh, nous avons un, programme bien étoffé donc pour cette année 2016. Inch'Allah, avec un peu de moyens, nous allons pouvoir euh, euh, honorer notre notre programme, notre engagement. Et être premier au championnat prochain oui, bon, nous, nous, Ce espérons. C'est pas facile d'être euh, premier parce que pour être premier, il faut amener un certain nombre au niveau du championnat. Et comme c'est à l'île Maurice, si est met les si on peut avoir amené au moins 10 athlètes, on est sûr qu'on aura au moins, avec un certain nombre de, médias d'or, on va se classer hein, parmi les trois premiers, Inch'Allah. Mais c'est pas facile parce que le Niger a toujours eu au championnat, si c'est une qu'est-ce que ça s'est fait au Niger Nous n'aurons pas pu placer plus de 30 personnes au niveau. Donc, euh, pour se déplacer avec les billets d'avion, la prise en charge au niveau, de, euh, au niveau international, c'est pas facile. Donc avec l'aide de Dieu, avec l'aide du ministère, Inch'Allah, peut-être qu'on pourra, si on amène un certain nombre d'athlètes, on pourra avoir un, euh, euh, un certain nombre de médailles. C'était la Alzuma Hamidou, secrétaire générale de la Fédération nigérienne de Sambo. Euh, toujours euh, du sport, le Niger participe aux Jeux olympiques d'été de 2016 à Rio de Janeiro au Brésil du 5 au 21 août 2016. Il s'agit de sa douzième participation à des Jeux d'été. Le pays tente euh, de remporter sa première médaille olympique euh, depuis 92, euh, depuis 1972, pardon. Sa délégation est constituée de six sportifs dans quatre disciplines dont un judoka qui s'est écroulé hier face à Nicolas Del Popolo, judoka américain. Quelle est l'histoire de cette discipline au Niger Lauratou Ibrahim Gado s'est entretenu avec Abdraman Youssif, premier vice-président de la Fédération nigérienne de judo. On l'écoute. Le judo au Niger date euh, des années 50 avec euh, nos anciens maîtres qui ne sont plus avec nous, qui nous ont quittés malheureusement, maître euh, Bedari, maître euh, Mamou Moussa, qui ont été en fait euh, ceux-là qui ont vulgarisé le judo, d'abord au sein de la police dans les années 60, puis à travers un certain nombre de clubs civils. Aujourd'hui, le judo représente en tout cas l'un des sports sur lequel le Niger peut compter. Quelle est la position du judo parmi les sports ici au Niger Disons que dans les disciplines euh, de combat, euh, si je peux l'appeler ainsi, euh, après la boxe en 112, le judo s'est déjà qualifié en 2004 pour les Jeux d'Athènes. Cette année encore, nous avons un qualifié. Ça fait la deuxième fois que le judo qualifie le Niger, en tout cas aux Jeux. Et cela sur les tatamis, ça veut dire qu'au cours des compétitions, en engrégeant donc un certain nombre de points, et cela honore quand même euh, le judo. Euh, ce qu'il faut dire aussi, c'est que euh, les premières médailles nigériennes ont été remportées par des judokas. Je veux parler des Jeux de Lagos, où le judo a remporté quand même pour le Niger l'une des premières médailles d'or du Niger dans les compétitions individuelles. Et en quelle année Disons, c'était dans les années 118-119 euh, avec euh, Abdou Pressé. Il est encore euh, vivant. Amamadou en médaille d'argent. Mamam Maman Garba en médaille d'argent et Med Bedari qui n'est plus de ce monde également en médaille de bronze. C'est dire que depuis ces années-là, le judo a toujours été l'un des sports, en tout cas les plus représentatifs du Niger au niveau des compétitions. Qu'en est-il du judo d'antan de Disons qu'il y a eu beaucoup d'évolution. Le judo a beaucoup évolué. Aujourd'hui, ce qui était permis hier ne l'est plus aujourd'hui. C'est normal parce que beaucoup de gens sont travaillés dans le cadre de la modernisation du judo. Aujourd'hui, euh, toutes les aptitudes qui ressemblent un peu aux aptitudes des lutteurs, n'est-ce pas, ne sont plus permises dans le monde du judo. Le judo se veut technique, habilité, et il faut joindre à tout cela donc la force. Donc c'est dire qu'aujourd'hui le judo a beaucoup évolué et quelqu'un qui a quitté le judo il y a 5 6 ans s'il revient aujourd'hui il va sentir qu'il y a une très grande différence de 58 à aujourd'hui parlez-nous de vos médailles Disons, en termes de médailles, nous avons quand même, au niveau du judo, remporté des médailles aux Jeux africains. Nous avons également eu des médailles dans les championnats d'Afrique. Nous n'avons pas eu euh, de champion d'Afrique, mais nous avons eu beaucoup de vice-champions d'Afrique. Vous avez participé combien de fois euh, disons que en avril passé, à la 31e édition, le Niger était quand même à 19 participations sur les 31. je pense que c'est quand même un record vu les faibles moyens dont dispose cette fédération. Mais je voudrais euh, de passage remercier quand même la tutelle parce qu'il faut dire que ces dernières années, euh, la tutelle a appuyé quand même la fédération dans la participation de l'équipe au championnat d'Afrique. 19 participations avec combien de médailles je ne pourrais vous dire exactement le nombre, mais euh, tout ce que je sais, c'est que nous avons quand même quatre titres de vice-champion d'Afrique. Il faut le faire et nous avons des médailles de bronze et euh, beaucoup de cinquième place. En judo, pour ceux qui ont pratiqué ce sport, n'est-ce pas, savent euh, combien il est difficile d'être euh, en tout cas sur un podium ou en tout cas d'être dans les 5-6 premiers au niveau africain. Vous n'avez jamais participé à une compétition mondiale euh, si, le judo jusqu'en 2015 a régulièrement participé ces dernières années au championnat du monde avec euh, ses moyens de bord. Euh, c'est clair que pour nous, ce n'est pas participer pour participer, mais c'est participer pour apprendre, parce que on ne peut s'aguerrir qu'en participant aux compétitions. Et c'est pour ça que nous avons toujours voulu amener nos jeunes, n'est-ce pas, à se frotter aux plus grands au plus fort qu'eux pour que demain, en tout cas, euh, le judo soit encore plus fort au Niger. Là aussi, parlez-nous de vos médailles. Au niveau mondial, malheureusement, nous n'avons pas eu de médailles. Mais vous vous rappelez, euh, même lors des Jeux de la francophonie que le Niger a organisé, le judo a été quand même la discipline qui a remporté le plus de médailles. Une médaille d'argent, une médaille de bronze. Il faut le rappeler. Euh, dans les autres disciplines, on n'avait pas brillé, mais le judo on aurait quand même. Et je pense qu'au niveau africain, euh, nous arrivons toujours à faire, en tout cas, des résultats. Euh, c'est vrai que beaucoup de travail reste à faire. Nous attelons à cela. Mais je pense que dans les années à venir, nous allons quand même monter la barre haute et viser des podiums au niveau mondial. Le Niger un judo aux Jeux olympiques Combien de participations Disons que euh, depuis euh, Athènes 2004, 2008, 2012, régulièrement le judo a participé. En 2004, on avait un qualifié euh, à la personne de Abdel Hassan. En 2012, nous avons hérité d'une place d'invitation universelle. Et le judoka qui a représenté le Niger a quand même fait euh, la meilleure prestation de la délégation nigérienne, il faut le rappeler. Parce qu'il a gagné quand même deux combats avant de se faire éliminer par un Georgien. Et aujourd'hui, notre judoka se trouve euh, à Rio. C'était la Abdraman Youssif, euh, premier vice-président de la Fédération nigérienne des judo, qui a fait l'historique de la discipline au Niger. Dernier aspect de ce forum, nous allons parler du cancer pour une seconde diffusion. Le cancer qui est en passe de, de devenir le premier facteur de mortalité au niveau mondial. Plus de, 60, plus de 70% des décès par cancer surviennent dans les pays à faible revenu ou à revenu moyen comme le Niger. Dans ce pays, on enregistre plus de, on enregistre de plus en plus de nouveaux cas de cancer à tous les niveaux. Euh, qu'en est-il réellement de cette maladie euh, Docteur euh, Dile Ismoua, chirurgien oncologue, répond au micro de laboratoire Ibrahim Gadou. Le cancer, c'est une maladie de la cellule. Vous savez que le corps humain est constitué de plusieurs milliards de cellules et chaque groupe de cellules va former un organe comme l'appareil respiratoire pour bien respirer, l'appareil circulatoire pour que le sang véhicule les aliments qu'on mange, et l'appareil urinaire pour permettre d'éliminer les déchets. Bon, tous ces appareils-là, c'est des cellules qui travaillent ensemble pour faire une, une activité pour permettre au corps humain de fonctionner. Mais quand il y a le cancer, qu'est-ce qui se passe Un jour, une cellule appartenant à cet appareil, une cellule, va perdre son fonctionnement dû à certains éléments ou des radiations ou un virus ou tout simplement certaines hormones ou certains traitements ou certains aliments, cette cellule-là va perdre son moyen de fonctionner et va se désorganiser et fonctionner pour son propre compte. C'est comme une cellule qui se rebelle, qui devient folle. Quand est-ce qu'on peut parler réellement de cancer on parle de cancer, donc quand cette cellule va se, sera multipliée de manière euh, désordonnée, elle va donner donc d'autres cellules qui sont anormales, des milliards de cellules. Et quand elles vont s'assembler, ces mêmes cellules vont former ce qu'on appelle une masse, une tumeur. C'est ça qui devient un cancer. C'est ce qu'on appelle le cancer. Donc une maladie qui a démarré au niveau de la cellule et aura donné des milliards de cellules qui vont s'organiser, former une boule, une masse au niveau d'un organe. Par exemple, si c'est le sein, cette boule-là, elle sera dans le sein. Mais la différence du cancer et de ce qui n'est pas un cancer, parce que toutes les boules ne sont pas des cancers, c'est que cette boule-là, elle va commencer à envahir le sein progressivement petit à petit, elle va envahir tout le sein. C'est comme si elle va détruire tout l'organe là où elle se trouve et elle ne s'arrête pas là elle va envoyer des cellules dans le sang, dans les vaisseaux lymphatiques, et ces cellules-là vont aller dans un autre organe. La maladie va commencer au niveau du sein, par exemple, et on va la retrouver plus tard au niveau du foie, au niveau du cerveau, au niveau des poumons. Et ça, ça s'appelle un cancer généralisé. C'est ça le problème du cancer. n'est pas comme une tumeur bénigne qui n'est pas un cancer, une boule aussi mais qui n'est pas un cancer, qui va rester, elle naît dans un organe, elle meurt dans cet organe alors que le cancer, il naît dans un organe du corps humain, mais il se propage dans tout l'organisme. Et vous savez que quand elle va commencer à aller dans tout l'organisme, elle détruit déjà là où elle est née et elle va commencer à détruire les autres organes. Quand on n'a pas de foie, le foie est détruit, on ne peut pas vivre. Les reins ou le cerveau est détruit, les os sont détruits, c'est des douleurs, c'est des fractures, etc. C'est ça le problème du cancer. Le cancer se généralise et après on peut arrive à un stade où il n'y a plus de vie. Docteur, le cancer concerne-t-il les femmes et les hommes Le cancer, il concerne tout le monde. Je peux vous dire même plus loin. Vous voyez, par exemple, au niveau des, arbres, même, même des végétaux, il y a des végétaux qui font certaines formes de cancer. Ça concerne tout le monde. compris les enfants Hommes, femmes, enfants. Il y a-t-il divers types de cancer Et ça concerne tous les organes. On ne peut pas dire que même le cheveu, même sur le cheveu, même sur la peau, tous les organes, l'ongle, tous les organes peuvent faire des cancers parce que tous les organes sont faits de cellules et toutes ces cellules un jour peuvent perdre le contrôle. Une cellule peut perdre le contrôle dû à plusieurs milliers de facteurs. Certains on les connaît, certains on les connaît pas, mais je vous dis que le cancer peut atteindre tous les organes et tout âge confondu. Tous les organes peuvent faire les cancers, tous. Les plus fréquents au Niger, c'est le cancer du sein, c'est le plus fréquent en termes de nombre. Je crois que c'est depuis 1996 les cancers qui sont en tête en, termes de nombre. Tout sexe confondu, c'est le cancer du sein. Alors, qu'en est-il réellement du cancer du sein Le cancer du sein, c'est comme tous les cancers, quelque chose qui se développe au niveau du, cancer, du sein d'abord, chez l'homme comme chez la femme, parce que les hommes aussi ont un sein, même s'il est trop petit, ils sont sujets à des cancers. On a eu des cas de cancer chez l'homme. Donc ce cancer-là, malheureusement, c'est le plus nombreux et il fait des ravages. C'est un cancer, je vous dis, qu'on ne peut pas prévenir. On ne peut pas le prévenir parce qu'on ne connaît pas exactement sa cause. Mais une seule chose est certaine, c'est qu'on peut éviter de le découvrir tardivement. Comment Chez la femme, elle fait une mammographie. À partir de 45 ans, chaque femme peut faire la mammographie. Une mammographie, une, une radiographie des seins qui va trouver une anomalie de la radio avant même que l'on sente la boule. Voilà, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Merci à vous de l'avoir suivi et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou. Au revoir.